dama ko ñaawlu. oui oui lan nga si ñaawlu. ay surtout d'abord abord li nga gëm man moom laa gëm. Mhm. man d' accord ci voilà dama ko teel a wax. oui comme troisième mandat ça mhm. m'a coûté ça m'a coûté. man mi tam kenn d'accord. j'ai un marché de l'administration. administration ba fii may taxaw dégg yow exécuté wu ma. Mhm. ndax ma ko reprocher donc quelque part tu te demandes même que ndax président dañu amoon wala un chef. parce que mënoo comprendre. nga am ay points de vue ak ay convictions. Je rejoindre le ci parce que le discours bi il n'a jamais été là pour le troisième mandat mm-hmm. mais si on te fait payer ça parce que tu n'étais pas d'accord c'est tant mieux parce qu'il y a valeurs là, ak ay des principes. Mm-hmm. mais l'autre problème euh, mais il s'est joué de tout le monde Voilà, mm-hmm. euh, tout hein, qui s'allait. oui tu lui en veux hein mais tout tout oui mais d'abord parce que mais y a nga ak ay nawle yàlla moo la def nga nekk président. Mhm. te ñu dañu gëm mystiquement ne que pouvoir boobu yàlla moo koy joxe. ci prérogative am la. Mhm. bu muy dagg jox ko doomu aadama. dëgg kon soo ko nangul yaa problème. dëgg la ñu nangul ko Macky Sall. waa bennoo ne ko léegi dañu bëgg yow. Mhm. nga tànn nga tànn pour ah. ne pas que noo ne euh, des problèmes nga leen ñoom ñëpp am nga ci wàllu ay am nga léegi donc tànnal ñu. ki nga yaakaar ne moo ñu doy. ah bon non dama bëggoon benn ko def ñu ne ko déedéet léegi tànnal. mu nangu ko. tëju gérer ba ben moment mu associé ci ay Moustapha ak Moustapha Niass. ba mhm. la bo xam respecté dañ ko. Mhm. parce que amna amna moral. Mhm. bi mu bi mu ngànkee ba légui ci génn. kon kooku amna ay valeur à tort raison amna ay valeur Moustapha Niass kon ensemble ngeen ki ngeen nga ñëw nañu finalement xol na ko seetaat na ko seetaat na ko. Amadou Ba mo ñu doy. kon Amadou Ba nañu jox c'est pas qu'il soit meilleur que les autres mais au moment T il remplit les conditions pour pouvoir mhm. porter le combat sommes d'accord le ko fait nous sommes ok on est d'accord mhm. donc tu t'es joué de tout le monde oui mais parce que quelque part qu'est-ce que tu te reprochais pour pouvoir dem di tu souffres ah. parce que dans cette affaire là qui gagne c'est peut-être lui <laughs> <laughs> c'est lui tu as sacrifié le bonhomme. oui il a sacrifié. au profit de kan de ñi nga xam ne ne. amuloo loo leen stigmatisé wul amuloo loo wax ci ñoom. mais lu tax nga ko c'était pour pouvoir cette loi d'amnistie pour que ça t'arrange. mais oui oui. lan nga def. waaw ba war a bëgg a muur sa bopp. mais dans cette affaire là. c'est dégueulasse je pense qu'il y a eu un euh, son responsable des cadres là. Mm. Euh, a na la semaine passée. je pense que c'est ce jour là mais il faut que que que mu wax mais c'est une obligation pourquoi expliqué wul. expliqué kenn. yow su dee da nga am looy reproché euh, waajo doo taxaw fa nga. fa ñu joxoon prérogative pour nga wax li tax nga reproché ko. Mhm. lii nga ko reproché la la su dee c'est de l'antipatriotisme primaire nga génne preuve yi et cetera. li ci mhm. stigmatisé ko mais nga yow suba teel mais def ko jëf ju ñaaw jooju. Mhm. mais yàlla ngi fi gëmul nelawul de. te dina gis. li mu def Amadou Ba rafetul. li mu def waa Bennoo rafetul. li mu def Sénégal man je me suis senti mais mais mais je suis sorti non, ah. cette coalition neexuma intéressé wu ma dugg ma ci. ah génn nga ca. bu yàgg. ba mais. après loolu nga ci mais mais mais la preuve xoolal tey collectif bi ñu wax kan moo ci nekk ñoom la encore mais ça ne m'intéresse pas. Ah, waaw waaw justement collectif boobu. ça ne m'intéresse pas mais collectif boobu grand man. Euh, euh, j'en parlais dans dans dans une émission man même man man man collectif boobu ça me donne de l'urticaire parce que honnêtement. Ah. C'est quand même n'importe quoi. Et puis les mêmes... Les, mêmes, les mêmes, causes, les mêmes, les mêmes causes, les mêmes causes, Voilà, Ça veut dire quoi? voilà, voilà. Yo, on vous, on vous sanctionne, vous allez sur YouTube, vous allez vous créer pour... Bon, Sénégalais, quand comprendre. Mais aussi, Amadou Ba, man, man, man aussi, euh, euh, j'aimerais bien t'entendre sur Amadou Ba. Parce que, euh, man, man, euh, c'est vrai moi. Euh, Amadou Ba il fait mu nekk ñi mu wóolu moom la lay àndal de. mais mais surtout xam Amadou Ba aussi euh, il faut pas croire qu'il est exempt de tout reproche. mais absolument parce que lui aussi quand il était candidat. Euh, il a tout fait ñi mu àndal ni ñoom la parce que mon problème, c'est c'est pas quelque c'est pas un ange aussi il faut pas il faut se le dire Ben bi mooy là euh, euh, logiquement c'est lui qui devait incarner le chef de l'opposition oui. c'est lui qui est venu quand même second derrière euh, le duo là. Euh, mais quoi euh, les ni de doxalee Abu Diallo mon jeune frère que je salue au passage a a trouvé une formule excellente pour Amadou Ba nee euh, Amadou Ba créer fonction euh, moi, euh, opposant des des et des nuyoo des chefs religieux ah <laughs> nga xam un Amadou Ba aussi un problème de transparence donc donc donc finalement. Là, euh, euh, je dis bien que si le duo nous accuse, nous, des gens comme moi, et, donc de la presse, nous, nouvelle opposition, euh, est-ce qu'ils n'ont pas raison Parce que ni politiciens, on va pas... Le jeu, qui, enfin, le jeu n'est pas clair. Mandal, objectivement, quelles sont mes raisons pour ne pas intégrer cette affaire-là Ils t'ont contacté Non, mais ils t'ont pas contacté. Ils savaient, mm-hmm. ils savaient on est comment dans cette dynamique là. Mhm. mais ensuite mais la réduction des comptes la c'est une exigence. c'est mhm. tout. oui. c'est tout. Il y a eu des choses et des travers qui nous mhm. moi j'accuse actuellement l'accès au régime. de retarder à dessein ou au xawma est-ce le protocole ah il faut qu'on sache on nous a tellement parlé de reddition des comptes mais fan nañ objectivement et concrètement mhm. sans passion aucune mais on a besoin aujourd'hui de savoir ce qui s'est passé l'état de lieux, parce que mais mhm. on dit que ci biir protocole il y a des gens qui ne que pas du leen waratul pour ceci ou cela lu wax nañ mais on a besoin parce que nous aussi euh, le duo là n'a pas clarifié le protocole qu'il a reconnu parce que quand on dit protocole c'est parce que y a des ententes. ah bah oui. donc da ngay bàyyi li ma defal nii. mais Aïssatou fooy jikkal ci loolu sax mooy mooy amnistie bi. am ah, ah mais. amnistie et qui a voté l'amnistie. voilà ah ah, ah voilà. le le PD le PS rek euh, le le rek n'avait pas. Euh, mm-hmm. la majorité pour mën voter loolu. non non kon ñamu ñi ci voté yëpp. ñoom ñëpp mooy ñi ci am intérêt. quelque part ça, mun naa comprendre que c'était de bonne guerre pour mën a ñëw ñoom conquérir le pouvoir mais soo toogee ba pare nag pourquoi euh... mais nga demander les rééditions. mais pourquoi nga ne ba pare aussi cette loi d'amnistie mais ils... ñoom ak li mu englobé yëpp l' affaire euh, euh, ay affaire Mame Mbaye Niang Mame Mbaye sa ak yeneen ak mais pourquoi ñoom ils xas nañu ba ñëw mais pourquoi du ñu revenir sur cette loi d'amnistie. ah parce que bon c'est des engagements aussi xam nga xam nga a pas de recteur rétroactivité en matière de. mais amnistie nga ba sur quelle base tu vas euh, revenir surtout un président de la République base nga ko le juger. Ah, voilà moo demee ces reddition des comptes là ça va être un gros leurre. mais c'est c'est mooy mooy ñu amul ñi nga xam man li ma jàpp ne boo déggee bi c'est clair que c'est juste pour euh, amuser la galerie contenter les fans les sympathisants et tout ça euh, faire un peu de théâtre un peu de cinéma mais. boo si pas extraordinaire man ça c'est ma conviction c'est pas extraordinaire nga dégg na am na ñu si sonal ñooñu ñu si sonal mooy ñi nga xam Macky Sall bëgguñu bëgg Macky Sall bëggu leen mais Macky Sall ñu bëgg dëgg. kenn

mom comme Diomaye ken du dem euh, kenn du mon présenter. wa mais mais mais mais est-ce que grand. Euh, est-ce que doit expliquer jaroon na mais lol mais est-ce que ceci doit expliquer cela parce que ma sama problème moi est-ce que pourquoi à tout prix ni euh, il fallait qu'il soit candidat et que et que pour qu'il soit candidat pourquoi man li ma gën Macky Sall mooy dama ne euh, comme li nga wax sànq. Euh, personne ne lui a mis un flingue sur la tempe, ne par force à Mounouba. C'est lui qui l'a fait en âme et conscience. D'un petit pour y raison, il n'en voulait plus. Mais il y en avait d'autres aussi. Franchement. Mais pourquoi euh, toi tu te réunis Ce qu'il a fait, pour moi c'est de la, c'est plus mais, de la trahison. Abdallah John qui est parti. Pour Abdallah John. Mais Idriss Mais Idriss Sek. Ah, Donc, il y en avait plein. Tu avais, aujourd'hui des mais, mais, ben catalogue, mais, mais, moi, pas compris. Mais, pas mais pour moi, c'est plus que de la trahison, c'est plus, plus, que de la capitulation. Aussi, je me dis, ils se sont dit, on est en politique, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mais là, Jacques Brel Mais, ah. mais, c'est exactement pour moi, c'est ce qui s'est passé. Hein? Et ah puis, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Euh, euh, honnêtement, quand même, <laughs> sincèrement, être en prison, et puis tu viens, toi, tu n'as rien demandé, on te propose ça comme une fleur. Ben écoute, ah était bien bête de de de refuser ah, ah, ah, et puis quand il toogati ak kan lañ fi tek donc c'était de bonne guerre. parce que ni ni, bu fi Amadou Ba togon ça allait être compliqué pour. non au début à la fin de toute l'action là. Mm. Macky Sall est au cœur de tout ça. et Macky Sall continue à être au cœur de tout ça. C'est malheureux. et c'est malheureux et, tout ça il a fait je ne comprends pas ces gens là qui sont là à s'accrocher à ces basques parce que tout ça il a fait sur le dos. et puis à leur nez à leur barbe. et puis la sans aucune élégance. mais dégguloo le parti socialiste ne moom ma ngay ah mais AFP déglu léegi AFP. Ah, parce que quand même ah, mais au moins. ay nit c'est des hommes d'honneur. Eh ay gor nañu voilà. mais man Macky Sall demalu ma fenn. Ah. xëy na tey ñi koy topp ci loolu. mooy ñi nga xamné ne ñoo doon ñoo ko wëral la mm. joxoon ñu nek ay ministre ma ay affaire yooyu ñoko top tay mais man démb xaw ma barke démb j'ai regardé benn benn conférence là. Mm mais j'ai compris mhm. <laughs> j'ai compris ñi fa toogoon pourquoi ils sont là-bas pour pour pour pour pour voir euh, livre blanc de Macky Sall. Ah, livre blanc bon, c'était hein? n'importe quoi franchement. Hein? honnêtement on n'en avait pas besoin vraiment là là honnêtement, honnêtement n'est pas la priorité de de l'heure. Hmm? Euh, franchement c'est complètement anachronique. Euh,